offre aussi des stages internes et externes pour les professionnels. Les horaires des cours répondent aux exigences du travail. Nous sommes situés sur le boulevard Mali Bureau, à 200 mètres de l'échangeur, en allant vers Bukoki. L'université marocaine au Niger offre aussi aux nouveaux bacheliers des tarifs promotionnels et une réduction aux 100 premiers inscrits. Les inscriptions pour la rentrée académique à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le Niger y était représenté à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage poursuit son périple d'évaluation de la campagne agricole 2024. Les échos dans cette édition. Le Niger, à l'instar des autres pays membres de l'ONU, a participé cette année à la session de l'Assemblée générale des Nations unies, la 79e du genre. C'était à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, composée de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, du directeur de cabinet du Premier ministre et de plusieurs hauts cadres. Nous faisons le point avec Gérard Ablaziz. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakaria Sangré, conduit cette année la délégation du Niger à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 79e du JAR, à New York, aux États-Unis. En marge des travaux de cette importante rencontre, la délégation nigérienne composée de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Soufiane Agachata Guichen, du directeur de cabinet du Premier ministre Ousmane Samba Mamadou, et de plusieurs hauts cadres à participer à de nombreux événements parallèles. Retenons d'abord la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI, couplée à la réunion d'urgence de la Ligue arabe qui a pour but de débattre de l'escalade militaire de l'État israélien en Palestine et au Liban. Plusieurs allocutions ont marqué cette réunion. Dans la sienne, Bakaria Oussangari a réaffirmé le plein engagement du Niger au comité Al-Qods Al-Sharif et son appui constant à la cause palestinienne. Enfin, le ministre a formulé à nouveau la demande de notre pays à réécrire la résolution numéro 5950 qui vise à doter la mission régionale de l'OCI au Niger pour le Sahel et le bassin du lac Tchad de moyens adéquats pour son opérationnalisation. La délégation nigérienne a pris part aussi à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G77 plus la Chine. Le financement du développement et du renforcement de la solidarité entre les pays du Sud a été au centre de cette rencontre. La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays en développement sans littoral, PDSL, a vu également la participation de la délégation nigérienne. Il a été question au cours de cette réunion de l'examen de l'état d'avancement du programme d'action de Vienne et des préparatifs de la tenue en novembre 2024 de la troisième conférence des PDSL à Gaborone ou Botswana. Autre rencontre des ministres des Affaires étrangères a enregistré la présence de la délégation du Niger, c'est celle des pays moins avancés PMA. À cette réunion, les participants ont passé en revue la mise en œuvre du plan d'action de Doha adopté le 17 mars 2022. En outre, le ministre Bakary Sangare a saisi l'opportunité pour prendre part à des rencontres bilatérales. D'abord avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, où les discussions ont porté sur les domaines énergétiques et miniers. Puis, avec la directrice générale adjointe chargée des opérations de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, à New York. Les questions migratoires étaient au centre de l'entrevue. Ensuite, avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, où le point de l'initiative internationale du roi Mohamed VI pour l'accès des pays sahéliens à l'océan Atlantique a été fait. Ces rencontres bilatérales se sont achevées par l'entrevue avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Comme annoncé lors du dernier sommet Chine-Afrique, il s'est agi de la poursuite des discussions sur la reprise de la coopération entre le Niger et le Bénin. À New York, il faut noter également une rencontre entre les ressortissants des pays de l'AES vivant aux États-Unis et les ministres des Affaires étrangères de cette confédération qui s'est déroulée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur du Mali. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Fin de la mission d'évaluation de la campagne agro-pastorale du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, où il a visité hier les départements d'Agué, Tessawa et Mayaï, les échos avec Gunga Gibrima et Nassirou Sur le périmètre irrigué des Diratawa dans le département de Madarumfa, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est allé s'enquérir des conditions d'exploitation de ce périmètre réalisé en 1982 avec une superficie de 650 hectares, 4227 exploitants organisés en coopérative. Colonel Mahaman Elaj Ousmane s'est réjoui des efforts des producteurs et a réitéré l'engagement de l'État à les accompagner pour optimiser la production et garantir la souveraineté alimentaire prônée par le CNSP. À Wakasso, dans la commune rurale de Tchadoua, département d'Aïe, la délégation ministérielle a visité un champ où il a échangé avec les exploitants et s'est félicité des récoltes très satisfaisantes. Le site récupéré des Cotarés dans le département des Mayaï a reçu la délégation ministérielle. Un site de 90 hectares envahi il y a quelques années encore par le sida cortifolia. Ce site est récupéré et transformé en aire de pâturage exploité par des communautés. Une initiative encouragée et félicitée par le ministre et le gouverneur de la région de Maradi. Toujours à Mayaï, la délégation a visité le marché des demi-gros, déjà approvisionné par les récoltes de la campagne 2024 à Baudeta, dans le département de Tessawa. Dernière étape de la visite ministérielle, un champ communautaire où est pratiquée la culture associée a été visité par la délégation ministérielle qui a apprécié la qualité et la quantité de la production. Partout où il est passé, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a échangé avec le paysan et a renouvelé l'engagement des autorités à les accompagner. Un réel motif de satisfaction pour le ministre Mahaman El Hajou Ousmane. Euh, globalement, la région de Maradi présente euh, une campagne euh, assez bonne, de bonne à excellente. Donc nous pouvons dire que ça n'a pas manqué quelques attaques de euh, des chenilles lumineuses ou chenilles légionnaires ou quelques cas d'inondation, mais globalement, nous nous trouvons autour de, sur la moyenne, de 80 à 90 de bonnes productions. Cela présage une bonne saison. Euh, on a conseillé les producteurs de faire attention avec que ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir à racheter à travers le POVN les différentes productions que nous aurons eues et que euh, nous ne perdrons pas notre production de cette année. Euh, au-delà, nous avons aussi prodigué des conseils dans le cadre de la sécurité. Partout où nous sommes passés, euh, les, autorités administratives avec le fait de la sécurité traditionnelle. Et également, nous avons visité quelques enclaves pastorales nous aussi, c'est très satisfaisant. Quand nous aurons perdu la production à Maradi, nous aurons perdu presque le tiers de la production nationale. Et aujourd'hui, que Maradi se trouve entre 80 et 90 on peut dire Alhamdulillah, Dieu merci. Donc, euh, ça présage de bonnes perspectives à l'avenir. Ce qui nous appelle à aller très rapidement dans les cultures irriguées pour que ces jeunes puissent se remettre encore au travail. Il n'y a que le travail qui paye, il n'y a que le travail qui peut sortir le Niger de son indépendance pour chercher cette souveraineté. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. L'enjeu à travers ces périples et de s'enquérir de l'issue de la campagne 2024, mais aussi transformer certaines menaces, notamment les inondations, en opportunités pour entamer la campagne irriguée dans le même ordre d'idée, la situation environnementale de la région d'Ottawa contraste avec la bonne saison pluvieuse de cette année. Dégradation des terres, ensablement des mares sont entre autres défis environnementaux de la cité de l'Ader. Heureusement, cette situation n'est pas irréversible puisqu'il existe des techniques pour protéger et restaurer l'environnement. Ibrahim Hiro, Mahamadou Adamou et Habibou Abdraman. Malgré l'embellie de la saison hivernale en cours, et sa nature de zone tout autant agricole que pastorale, la région de Tawa fait face à d'énormes défis environnementaux. Et pour cause, la quasi-totalité des terres sont dégradées. Et il s'agit de pas moins d'un million d'hectares. 11% seulement sont, utilisés, mais les, 89% peuvent être exploitables avec les travaux de récupération de terre, d'aménagement de dunes. Sur le plan eh, pastoral, cette année, plus de 9000 euh, hectares ont été aménagés, ont été traités. Et sur, sur le plan agricole, aussi environ 200 hectares ont été, ont été aussi aménagés. Donc cet aménagement consiste à des ouvrages de récupération de terre. En revanche, les potentialités sont considérables. La cité de l'Ader dispose de 41 mares permanentes et 58 semi-permanentes. Parmi les permanentes, celle de Tabalak, à 50 km de la ville de Tawa, dans le département d'Abalak. Elle peut atteindre, selon les saisons, jusqu'à 1000 hectares de superficie et une profondeur moyenne de 2 mètres. Mais là aussi, l'ensablement, les plantes envahissantes, les mauvaises pratiques culturelles, les déchets ménagers et les eaux usées sont de véritables menaces pour cette richesse nationale. D'année en année, ces mares sont comblés par le sable. Et elles sont comblées par le sable et par leur régime. D'autres se transforment en mares semi-permanentes et d'autres gardent euh, leur régime de mort permanente, mais tout en perdant aussi leur capacité de production halieutique. Maintenant, en termes de pêche, c'est plus de 380 millions dans la région de Tawa et à, Tabalak, c'est quelque chose de 30 millions qui ont été enregistrés cette année au profit des, des pêcheurs. Tawa regorge déjà d'importantes ressources en eau. Cependant, plus de 80% des eaux de ruissellement sont perdues parce que n'étant pas récupérées, aux fins d'utilisation après la saison des pluies. Chaque année, on perd des milliards et des milliards de mètres cubes. Surtout cette année avec des pluviométries exceptionnelles. Il a tellement plu. Je prends juste un exemple de Malbaza, où plus de 850 000 mètres ont été enregistrés dans une zone sahélienne où l'Usuette ne dépasse guère 350 000 mètres. Mais malheureusement, cette eau est toujours perdue. Pour la conserver, à mon avis, il faudrait procéder maintenant à des micro-barrages, à des ponts barrages et à des retenues collinaires. Et tout ça nécessite des investissements colossaux, mais aussi et surtout l'engagement de la population. Quand les communautés ne s'engagent pas dans la récupération de terres, dans l'aménagement des mares, tout ce qu'on fera, c'est inutile. Il faut qu'on arrive à un niveau d'engagement de cette communauté pour les accompagner et, et les encadrer. Ce qui est sûr, la protection et la restauration de l'environnement à Tawa et dans le reste du Niger sont un levier pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et au-delà, le développement durable tout simplement. Le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité à présent, un bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. Dans la région de Tilaberi, l'opération NIA, bordant la rive droite du fleuve Niger, poursuit son offensive contre les groupes armés terroristes avec une intensité soutenue. Le mercredi 26 septembre, en milieu d'après-midi, les troupes au sol ont enregistré des avancées significatives. À proximité du village de Kouloubaga, une patrouille a réussi à intercepter un terroriste blessé par balle qui tentait de s'échapper. Ce dernier, unique survivant d'un affrontement antérieur, a été appréhendé et placé en détention. Par ailleurs, lors du marché hebdomadaire de Tamou, les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation de deux individus identifiés comme ravitailleurs et membres actifs des réseaux terroristes opérant dans la zone. Leur véhicule, chargé de vivres et de matériel destiné aux groupes armés criminels, a été saisi. Cependant, un incident malheureux est venu rappeler la persistance de la menace dans la région. Aux abords du village de Bulunjunga, un véhicule civil transportant des denrées alimentaires a été gravement endommagé suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé. Fort heureusement, aucune perte humaine n'a été déplorée. Les FDS présents dans le secteur sont intervenus promptement pour secourir les passagers et évacuer le véhicule endommagé du lieu de l'incident. Cet incident met en lumière le danger constant que représentent les engins explosifs improvisés dans la région et souligne l'importance cruciale pour la population civile de rester extrêmement vigilante lors de ses déplacements, particulièrement dans les zones reconnues comme à risque. Toujours dans la région de Tilaberi, la situation sécuritaire dans la zone d'Almahou reste relativement calme. Des efforts constants sont déployés pour prévenir toute recrudescence du terrorisme et du banditisme. Dans cette dynamique, les forces de sécurité intensifient leurs actions dans toute la région pour maintenir la paix et la stabilité. Le jeudi dernier, à l'aube, une patrouille a mené une importante opération dans la localité d'Ayuru. La fouille minutieuse d'un camion en partance pour le Mali a révélé une importante cargaison illicite comprenant 225 briques de chanvre indien ainsi que plus de 68 000 comprimés de substances dangereuses. Cette opération a permis non seulement la saisie de ces drogues, mais aussi l'arrestation du chauffeur et de son convoyeur, ouvrant la voie à des enquêtes approfondies sur un réseau criminel plus vaste. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, suite à une dénonciation anonyme, les FDS, déployés dans le secteur de Dankassari, ont arrêté un important agent de liaison des terroristes opérant dans la zone de Monseka. L'individu serait en charge du transit et de la coordination des mouvements des groupes armés entre le Niger et le Nigeria. Ces mouvements et comportements inhabituels, combinés à des informations reçues, ont conduit les FDS à le mettre sous surveillance et son interpellation est survenue après qu'il ait été aperçu avec des individus armés. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, en coordination avec une source locale, une opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste originaire du Nigeria, Moussa Seynou, alias Lara Boudjo, un éminent membre de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'individu actif dans la forêt de Serma au Nigeria était recherché par plusieurs agences de renseignement pour sa participation à de multiples attaques au Nigeria. Lors de son interpellation, les forces de sécurité ont saisi un téléphone cellulaire contenant des informations cruciales ainsi qu'une somme importante d'argent probablement destinée à financer des activités criminelles. Il a été mis à la disposition des services compétents pour la poursuite des enquêtes. Au centre du Niger, dans la région de Maradi, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts dans le cadre de l'opération Farotobushia. Outre les actions militaires, les FDS travaillent à renforcer les liens avec les populations civiles, en particulier les couches les plus vulnérables. Au cours de la semaine écoulée, plus de 650 ménages issus des villages de Moulé et d'Ankano ont bénéficié de consultations médicales et de la distribution gratuite de médicaments essentiels. Cette initiative, qui s'inscrit dans une approche de proximité, témoigne de l'engagement des forces armées à améliorer les conditions de vie des communautés tout en assurant leur protection. À l'est du pays, dans la région de Difa, la situation sécuritaire reste sous contrôle malgré les incursions sporadiques observées ces derniers temps. Les forces de défense et de sécurité maintiennent une vigilance accrue et sont pleinement mobilisées pour neutraliser toute menace potentielle. Récemment, dans le secteur de Waragou, un véhicule suspect a été immobilisé, transportant 26 appareils satellitaires de type Starlink, suscitant des interrogations sur leur usage dans cette zone sensible. Par ailleurs, dans la localité de Ngingimi, un terroriste affilié à Boko Haram a été appréhendé. Ce dernier était en possession de 105 cartouches pour mitrailleuse de type M80, renforçant ainsi les soupçons sur ses activités terroristes. Au nord du Niger, dans la zone de défense numéro 8, une patrouille mixte a mené une opération d'envergure dans la nuit du 26 au 27 septembre 2024 à Dirko. Les forces ont pisté un véhicule Tundra suspect, ce qui a conduit à l'arrestation de neuf individus, dont un ex-détenu récemment libéré. La fuite du véhicule a permis la découverte de trois armes à feu, 123 munitions de calibre varié, 7 chargeurs AK-47 ainsi qu'un téléphone satellitaire de type Touraya. Les suspects et le matériel saisi ont été immédiatement transférés au commissariat spécial de Dirkou pour des enquêtes complémentaires. En parallèle, l'intervention rapide des FDS a permis de porter secours à une trentaine de passagers abandonnés au cœur du Sahara. Ces civils, victimes d'une attaque perpétrée par des bandits armés, ont été secourus grâce à une alerte donnée par un véhicule civil de passage. Les forces de sécurité sont rapidement intervenues pour recueillir et sécuriser l'ensemble des personnes. Dans la région de Niamey, sous le couvert de l'opération Inchinkasa, la collaboration avec la population et les FDS continue de porter ses fruits. Grâce aux informations fournies par des habitants, un individu présumé terroriste a été appréhendé par une unité assurant la sécurité de l'axe reliant Kolo à la capitale. Cet événement illustre l'importance du soutien civique dans la lutte contre les réseaux terroristes. Chers compatriotes, ces actions récentes démontrent la capacité des forces de défense nigériennes à intervenir efficacement sur plusieurs fronts tout en restant proche des populations locales. Sur toute l'étendue du territoire, les opérations s'intensifient pour assurer la sécurité du pays et combattre les groupes terroristes et criminels. Les autorités rappellent l'importance de la vigilance et de la coopération de tous pour garantir un environnement sécurisé et stable dans tout le pays. Pour signaler toute information importante, les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés. Voilà, à la suite de cette édition, le gouverneur de la région d'Ottawa a réceptionné ce matin une importante quantité de vivres offerte par la société nigérienne des banques Sony Bank au profit des sinistrés de la dite région Fatibamo et Mahamadou Agoumo accompagner les efforts des autorités du CNSP, la société nigérienne de banques Sony Bank vient de mettre à la disposition des populations de la région Tawa un important lot de produits alimentaires pour soulager les populations victimes des inondations. Ce don est composé de 150 sacs de riz, 150 cartons de macaroni et 150 bidons d'huile. Ce don de la Bank vient en appui aux populations sinistrées de la ville de Tawa. Il est d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Il convient de souligner que cette initiative de la Bank s'étend sur les sept régions du pays pour une enveloppe globale de 35 millions de francs CFA. Au nom du directeur général de la Bank, M. Hamidine Aboubakar, du comité des directeurs, de l'ensemble du personnel et de mes collaborateurs ici présents, nous réitérons notre soutien et notre engagement patriotique à l'endroit des plus hautes autorités de ce pays. Le gouverneur de la région d'Etawa, colonel-major Omar Tawaye, a réceptionné cet appui, a salué ces gestes hautement salitaires. Cet appui que vous venez de donner, Charles euh, on fera le maximum pour suivre la répartition. C'est un effort important que la Sonibank a eu à faire euh, pour la région d'Ottawa. Je voudrais aussi euh, vous transmettre les salutations et les remerciements, les encouragements des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquels son Excellence le général de brigade Abdraman Chani et son Excellence M. Mohamed Lamid Premier ministre. Donc c'est pour dire que votre appui est un support donc, pour les efforts du gouvernement. Le colonel-major Omar Tawaye a rassuré la Sony Bank que ce don ira au sinistré. À Tawa, toujours le gouverneur était ce matin au centre mère et enfant de la région pour donner le coup d'envoi d'une vaste opération de salubrité. C'était en présence des corps constitués. Nous retrouvons Fatiba Mou et Mahamadou Agoumou la ville d'Etawa propre, sa Tels sont entre autres les objectifs visés à travers cette vaste opération de salubrité initiée par l'administrateur délégué de la ville d'Etawa avec l'accompagnement sans faille des autorités administratives de la région à leur tête le colonel-major Omar Tawaye, gouverneur de la région d'Etawa. Chaque semaine, de telles initiatives se poursuivront dans la ville d'Etawa afin d'offrir à la population population un cadre où il fait bon vivre, mais aussi de réduire considérablement les risques des maladies liés au manque d'entretien de l'environnement par endroit. Le gouverneur de la région d'Ottawa a salué l'initiative et a exhorté les populations à accompagner les efforts consentis pour leur bien-être. On a initié sa salubrité ce matin pour venir aider à rendre euh, le centre mère-enfant salubre. Comme vous le savez, cette année a été une, année très particulière avec euh, des pluies très abondantes. Donc cette pluie abondante, c'est ça qui a fait que ce centre-là est devenu comme une petite forêt, comme vous le constatez d'ailleurs, puisqu'on n'a pas encore fini euh, de désherber. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des structures qui ont participé ce matin à cette salubrité publique. Euh, qui dit santé dit aussi propriété. Donc c'est pour rendre ce centre agréable, pour permettre aux malades de respirer de l'air pur. C'est pour ça que nous avons organisé cette salubrité ce matin. Donc je voudrais, au nom des plus hautes autorités du pays, euh, au premier rang desquelles euh, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, féliciter et encourager davantage tous ceux qui sont ici. Après les centres de la mère et de l'enfant, les autres structures seront aussi concernées. Lancement ce dimanche à Dosso par le gouverneur de la région d'une vaste opération de salubrité publique, une activité instaurée chaque dernier dimanche du mois par les plus hautes autorités de notre pays au niveau de chaque région. Manuel Achido et Habibou Garba. Cette vaste opération de salubrité publique lancée ce dimanche dans la commune urbaine de Dosso par le gouverneur de la région est une réponse aux instructions des plus hautes autorités de notre pays qui visent à consacrer le dernier dimanche de chaque mois à la salubrité publique afin d'assainir nos villes. Il a été décidé par les plus hautes autorités que chaque dernier dimanche de chaque mois, que ce journée soit consacrée à la salubrité au niveau de toutes nos régions. Le moment est indiqué pour que nous lancions cette première campagne-là de salubrité au niveau de la ville de Dosso. Et j'ai instruit tous les préfets des départements aussi de faire de même dans leur entité respective et de faire passer le message au niveau des différentes localités ça fait partie des travaux d'intérêt commun et ça va dans le sens, en tout cas, d'intérêt de la communauté. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un vienne rendre la ville de Dosso propre à notre place. Vous avez vu que nous avons choisi ce site, ce n'est pas par hasard. Certains quartiers disposent de poubelles réglementaires mises en place par la mairie. Avec le temps, on va trouver les moyens en tout cas de faire des poubelles appropriées avec des engins de vidange appropriés pour rendre cette ville-là beaucoup encore propre. Pour l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, cette initiative est salutaire car elle vient ainsi renforcer le dispositif opérationnel de la ville dans le cadre de l'assainissement. Le premier travail de la mairie, c'est justement l'hygiène et l'assainissement. Nous nous sommes. Maintenant que ça va se faire avec tout le monde à la fin du mois, je pense que c'est un apport qui est apporté à la mairie. C'est un travail qui revient à la mairie à elle seule. Maintenant, c'est tout le monde qui est dedans. Nous, nous sommes très fiers, nous sommes très contents de cette initiative-là. Il faudrait que chaque mois, que nous puissions avoir autant de monde autour de nous. Chaque mois, nous allons choisir un site où il faut aller ramasser. À ce rythme-là, euh, on ne sera pas débordé par les déchets. Parce que chaque mois, il y a un site qu'on va se concentrer, qu'on va finir avec. Notons que cette activité a enregistré la présence des forces de défense et de sécurité, les différentes structures des jeunes, des femmes, les chefs des quartiers, mais aussi les responsables régionaux, départementaux et communaux des services techniques puis c'est des ONG, projets et programmes. À l'instar des autres régions du Niger, Zender a bénéficié d'abondantes pluies cette année. Au stade actuel de la campagne hivernale, la situation agricole connaît une nette amélioration. Des récoltes ont été effectuées dans la majeure partie des villages agricoles. Reportage à suivre en partie magazine de cette édition. Le gouverneur de la région de Maradi a lancé ce matin l'opération de salubrité publique dans la localité. Cette opération est instruite dans le cadre de l'initiative du ministre de l'Intérieur qui vise à faire des villes du Niger des villes propres. Sandana Tahi et Nafi sur instruction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, la journée de chaque dernier dimanche de mois est consacrée à la salubrité publique dans les grandes villes du Niger. Cette fois-ci encore à Maradi, l'on n'a pas failli à la tradition. En effet, les directeurs régionaux, les responsables et éléments des forces de défense et de sécurité, les organisations de la jeunesse et des femmes, les autorités administratives, coutumières et religieuses, tous munis d'épelles, brouettes, balais, sous l'encadrement des services techniques de la mairie, au moyen des camions ben et tricycles ben, Ils ont dégagé les déchets et sables charriés par les eaux de ruissellement aux abords et sur l'emprise de la chaussée. L'axe rond-point et solitant Ashura, route Zender a été concerné par cette opération qui a connu une mobilisation tout azimut, saliée par le gouverneur. Il s'agit pour nous de répondre à une exigence sanitaire assainir notre environnement, le rendre propre et prévenir les différentes pathologies possibles, mais aussi développer son côté éducatif pour que chaque citoyen comprenne quelle est la mission ou le rôle qu'il doit jouer dans le cadre de l'assainissement et de l'hygiène publique. Au regard de la place qu'occupe cette opération dans la préservation de la santé humaine, la promotion des bonnes pratiques, le renforcement des liens de fraternité, de cohésion sociale, la culture du civisme et du patriotisme, le gouverneur de Maradi a exhorté les leaders religieux de poursuivre les prêches sur les lieux de culte et les autorités communales à inscrire cette action dans la durée. Nous allons maintenir ce cap pour cette séance de salubrité. Déjà, la ville de maladie commence à être propre. La poursuite de cette opération fera certainement de Maradi une ville où il fera bon vivre, une ville digne de son titre de la capitale économique est tenue ce matin à Niamey de la cinquième édition de la journée de salubrité publique généralisée organisée par l'administrateur délégué de la ville. Ce jour encore, elles étaient nombreuses les populations et structures à répondre à cette initiative qui vise à rendre la capitale propre. Nafis Abadamassi, Amadou Hamidou et Soleiman Wali. Ces derniers dimanches du mois de septembre, consacrés à la journée des salubrités publiques généralisées qu'organise la ville de Niamey, sur la clairvoyance de l'administrateur délégué colonel Boubacar Soumana Garanti, a concerné d'abord le quartier à report de Niamey, précisément les alentours du marché à bétail dix quartier à la Coupe d'État, l'on observe une mobilisation du personnel de la ville de Niamey qui est à pied d'œuvre pour rendre cet espace vert propre. La délégation s'est ensuite rendue à la maternité Isaac Gazobi où le personnel civil et militaire s'est mobilisé pour assainir cet environnement sanitaire. La question du décongestionnement de la devanture de la maternité était au centre des préoccupations des responsables. On ne peut pas faire du son de qualité tant qu'il n'y a pas une propriété de locaux, il n'y a pas une hygiène pour le personnel, mais aussi pour les patientes. Le fait que M. le président du conseil de ville et penser à nous. Nous tenons vraiment à le remercier. Par rapport aux, gens qui sont à nouveau la devanture euh, vraiment de la maternité Sagazobi, c'est bien ce qu'ils font, mais il faut savoir qu'il y a un problème de sécurité, il y a un problème d'accessibilité qui est difficile. Donc ensemble, avec euh, vraiment la ville de Niamey, et les responsables, on va définir qui peut rester et qui doit partir. Il faut qu'on le comprenne. Il y va de la sécurité à 10 heures ici, passer à la maternité, c'est pas facile. La devanture et alentour de l'immeuble El Nasser a fait également l'objet d'une salubrité. Il en est de même du quartier Combo où une importante mobilisation a été enregistrée pour la circonstance avec à la tête l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2. Là aussi, tous les coins allant du CSI à l'école Combo, sans oublier les caniveaux, ont été les cibles de cette opération. Au niveau du deuxième arrondissement, nous avons décidé de venir au niveau du quartier de Combo pour euh, vraiment faire la salubrité au niveau du CSI qui est en train d'être menacé par euh, des tas d'immondices. C'est la population à travers le comité qui se sont mobilisés pour identifier le site. Pour nous, il faut balayer, mais il faut aussi agir sur la mentalité de la population. Donc, il y a eu des séances de sensibilisation et après notre départ, il y aura aussi des séances de, sensibilisation. Le colonel Boubacar Soumane Garantier a par la même occasion marqué un arrêt au niveau des vendeurs des plants d'arbres de Combo, où il a commandé une quantité importante des plants d'arbres fruitiers, ceci en vue d'accompagner l'initiative d'une ville verte à Niamey. L'hôpital général de référence aussi ne pas rester en marge de cette initiative. Une importante opération de salubrité a été organisée à cet effet. L'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 3 a pour sa part organisé une salubrité au niveau de l'école primaire Calais S. Nous sommes ici en face de l'école primaire Calais S 2 pour maintenant faire l'opération de salubrité de la ville dans le cadre de l'opération là. Donc vraiment c'est appeler les gens surtout les riverains, à les dispositions nécessaires pour que leur couleur, leur ville, leur quartier soit propre. Cette sortie de l'administrateur délégué de la ville de Niamey a été une opportunité pour procéder au réaménagement de la voie principale du quartier Bassoura qui, depuis l'avènement de la saison pluvieuse, était impraticable. Aujourd'hui, nous profitons de cette euh, journée de salubrité pour mener des actions de reprofilage pour que cette voie soit praticable. Donc, euh, nous sommes en train de faire une nouvelle plateforme pour que cette voie soit praticable. C'est avec ces multiples initiatives visant à rendre la capitale propre et de contribuer au développement et au bien-être des populations que s'est achevée cette journée des salubrités publiques généralisées du 29 septembre 2024 avec le concours et l'implication de tous. Pendant ce temps, dans la région de Zender, les populations de plusieurs localités continuent d'organiser des activités d'intérêt général en vue de soutenir le CNSP. C'est dans ce cadre que les populations de la commune rurale de Walelewa ont organisé ce matin une grande opération de salubrité publique. Kasumutari. Matin, autour de leurs autorités administratives et coutumières, les populations de cette entité administrative se sont donné rendez-vous au cimetière de la ville pour une grande opération de salubrité publique et d'assainissement. Une opération qui arresterait la présence de l'administrateur délégué de la commune rurale de Walelewa, Abdul Fattah Ougarbi Issa et le chef de canton Elagi Hassan Ibrahim Manou, plusieurs représentants de la société civile, les cadres techniques communaux et les responsables des forces de défense et de sécurité. Prenant la parole pour la circonstance, L'administrateur délégué de la commune rurale de Walelewa, très ému par cette mobilisation et honoré, s'est dit réjoui de parrainer cette cérémonie qui sera consacrée au lancement de plusieurs activités des populations autour de certains aspects de la vie de la nation. Nous profitons de cette euh, occasion pour remercier euh, les habitants du village de Olelewa qui sont sortis massivement pour nous accompagner dans cette activité salutaire. Abdul Fattah Ougarbe Issa a saisi cette opportunité pour transmettre aux populations les salutations fraternelles de nos plus hautes autorités et les encouragements du chef de l'État, le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, et le Premier ministre, ministre des Finances et de l'Économie, Ali Mamal Pour leur part, les représentants de la société civile à cette opération de salubrité publique notamment MPCR et le président du comité de soutien au CNSP de Walelewa, ont tour à tour pris la parole pour donner des précisions sur, entre autres, l'importance de cette activité d'intérêt général. Il faut souligner que de son côté, le chef de canton de Walelewa, Elhaj Hassan Ibrahim Manou, est intervenu pour remercier tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cette importante opération. La région d'Agadez a aussi organisé l'opération de salubrité instaurée chaque dernier dimanche du mois, une opération qui vise à améliorer l'hygiène dans la ville. C'était en présence du secrétaire général du gouvernorat Abdrazak Amadou et Ibrahim Amadou. À l'instar des autres régions, Agadez n'est pas resté en marge de cette opération de salubrité publique instaurée par les plus hautes autorités du pays. Cette initiative vise à cultiver le sens de civisme. La propriété est une affaire de tous, euh, elle est salutaire. Même religieusement, la propriété, elle est c'est un truc à saluer, il faut perpétuer. Si chacun pouvait répercuter la même chose chez lui, chez son voisin, et puis de façon globale, nous parviendrons à mettre de l'ordre, de la salubrité, de la propriété, de l'hygiène pour notre santé, pour le plein épanouissement, pour le mieux vivre le bien-être de l'être humain. Ils étaient nombreux à prendre part à cette opération de salubrité. Les organisations des jeunes, des associations féminines et de la société civile d'Agadez. Les femmes d'Agadez continuent à accompagner le CNSP et je demande encore une forte mobilisation pour la séance prochaine. Cette opération de salubrité publique vise à améliorer l'hygiène dans la ville d'Agadez un engagement commun de la municipalité pour rendre la ville plus propre et agréable à vivre. L'affaire de la salubrité, c'est l'affaire de tout le monde. Je profite pour remercier Génie Militaire qui a mis à notre disposition la chargeuse qui est là, qui nous, qui nous appuie, qui est en train de charger les camions. L'objectif de cette sortie des autorités de la ville d'Agadez est de constater l'effectivité de cette vaste opération de salubrité et encourager les acteurs L'administrateur délégué de Sakwara et Sinder a présidé ce matin la cérémonie de lancement d'une vaste opération de salubrité au CSI de Sakwara, une opération qui vise à accompagner les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans sa quête de souveraineté. Ablaï et Sadou Inouali. Depuis sa prise de fonction à la tête des communes de Sakwara et Sender le 19 août dernier, l'administrateur délégué, l'adjudant-chef de la garde nationale, Bourema Souley, ne cesse d'innover pour booster le développement de ces deux entités dont il a la charge. Cette opération de salubrité qui se déroule en simultané dans les deux communes, organisée en collaboration avec le conseil communal de la jeunesse, les organisations de la société civile et les structures des femmes, vise à soutenir les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le cadre de la refondation de notre cher pays, le Niger. La population est déterminée pour cette séance de salubrité instruite par les plus hautes autorités de notre pays. Cette activité est instituée chaque dernier dimanche du mois. Le choix est porté sur le CSI de Sakwara. Le message que j'ai à l'endroit de cette population, je ne peux que les remercier. L'adjudant-chef Bourema Soulek accompagne le secrétaire général de la mairie et le représentant de l'honorable chef de canton de Sakwara a mis à profit ce déplacement pour visiter les locaux du CSI. Il s'est agi de se rendre compte du fonctionnement de cette structure de santé, relever les difficultés rencontrées, mais aussi vérifier l'application des mesures de réduction des tarifs liés aux frais médicaux et à la gratuité de certaines prestations instituées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour symboliser son passage et exhorter les participants à œuvrer pour le reboisement de leur milieu, l'administrateur délégué des communes de Sakwara et Sinder a planté un arbre devant le CSI de Sakwara. Autre aspect de cette édition, les fidèles musulmans du village de Goudel ont célébré hier l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, à travers une grande cérémonie religieuse. Les échos avec Issa Ousmane Mahamat. À l'instar de leurs compatriotes musulmans à travers le pays, les habitants du village de Goudel ont célébré hier soir la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est la grande mosquée de vendredi de ces quartiers de Niamey qui a servi de cadre à cette 37e édition du Mauloud. La cérémonie de cette rencontre religieuse a vu la participation des centaines de fidèles musulmans en provenance de plusieurs quartiers de la capitale. La cour de la mosquée ayant abrité l'événement était pleine de jeunes, adultes et enfants de la terre Tidjaniya, venus tous pour écouter la parole de Dieu, apprendre le parcours, la vie et les enseignements du prophète Mohammed, paix salut sur lui ont aussi eu lieu des prières et récitations des poèmes durant toute la nuit. Le chèque de Bassora qui est en train de prêcher sur le prophète Mohammed sur ses œuvres, sur ses bienfaits, sur sa prophétie, sur comment il est venu sur ce monde. Après lui, on va donner la parole à d'autres marabouts qui vont aussi prêcher sur toujours la thématique, la paix, l'union et le bien-être. Et comment entretenir, comment être un bon musulman. Le tout miséricordieux descendre sa clémence sur notre, notre euh, pays, le village et l'ensemble de la population de Goudel du Niger et plus particulièrement le CNSP, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le bien-être du peuple nigérien. Le temps fort de ces mawlud ont été la lecture des Saint-Coran, les prêches, les invocations, le rappel de la vie exceptionnelle du dernier des prophètes et des louanges à Allah effectuées à la turbine par les différents chefs religieux qui se sont succédés. Tous ont appelé à l'union et à l'entente de tous les fils et filles de la nation pour construire ensemble leur pays si cher le Niger. Il faut dire que l'islam est une religion de paix, d'amour du prochain et de cohésion sociale. La population de Kwaratagui Rukazma a initié un grand prêche et des séances de lecture de Saint-Coran. Cette activité entrant dans le cadre de la célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, communément appelé Mouloud, a vu la participation de plusieurs fidèles musulmans venus pour la circonstance. Compte rendu Mustapha Amadou et Hassan Moussa. Louez Allah, le Tout-Puissant, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa c'est l'objectif de la présente commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, organisée par Cheikh Bakar Sheibou à et Kazama, un quartier de Niamey. Cette activité est la 11e du genre. Elle a été marquée par des écrits, des séances de lecture du Saint-Coran et des prêches relatifs à la naissance et au parcours du prophète Mahomet. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu de nous avoir montré ce moment solennel des célébrations de Mauloud 2024. Nous sommes à notre 11e édition on ne peut que remercier le bon Dieu. Vous voyez de vous-même tous ces beaux mondes venus pour célébrer Maulud à travers des louanges, des zikrs et des séances de lecture des Saint-Coran. C'est ça le Maulud en réalité. Des passages, on remercie nos dirigeants qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de ces événements. Et on appelle aux différentes personnes qui n'ont pas la notion de Mouloud à le découvrir. au cours de cette commémoration parrainée par le grand cheikh Siraj une grande fatia a été dite pour qu'Allah le tout puissant le très miséricordieux descende sa bénédiction sur le peuple nigérien et qu'il protège nos dirigeants, notamment les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Séance de lecture du Saint-Coran, invocation pour la paix, la quiétude sociale au Niger. Cette initiative du sultan de l'Aïr s'est déroulée à Iferouane. C'était en présence du préfet du dit département, Bachir Harouna et Moussa Efale. Le préfet du département d'Iferouane, le commandant Amadou Hassan, l'administrateur délégué des communes d'Ifrouane et de Chimia Gagara Mohamed, en zulema de l'Aïr sous l'égide du sultan de l'Aïr Omar Ibrahim Omarou, se sont une fois de plus retrouvés dans les chefs du département d'Ifrouane pour une séance de lecture collective du Saint-Coran pour la paix, la sécurité et la qualité sociale au Niger. Les oulémas de Fer se sont revenus ici pour implorer Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, pour que face du Niger un pays de paix, un pays sécurisé, pour que nos forces de défense et de sécurité aient vraiment euh, la force euh, d'être euh, debout nuit et jour, pour que nous, citoyens, nous puissions dormir en paix. Nous remercions les autorités départementales qui nous ont accompagnés aujourd'hui avec les braves éléments de l'Aïr. Cette initiative du sultan de l'Aïr, Omar Ibrahim Omarou, a été salué par les préfets du département d'Ifrouane, le commandant Amadou Hassan. La lecture du Saint-Coran que nous demandons à tous les éléments et dans toute la population, entre le département du différent, de s'impliquer davantage, de continuer à faire des lectures du Saint-Coran, faire des invocations pour la paix, la stabilité dans notre pays. Surtout au niveau du département différents, nous avons des mosquées vraiment historiques par lesquelles nous passons souvent pour des lectures du Saint-Coran. Au cours de ces rassemblements religieux, les oulémas sous la conduite du sultan de l'Aïr Omar Ibrahim Marou ont imploré Allah Dieu le Tout-Puissant sa clémence et sa protection en faveur de notre pays, son peuple et ses dirigeants. La paroisse Saint-Gabriel Archange de Garbado de l'Église catholique du Niger célèbre son jubilé de rubis. Dans ce cadre, une messe d'action de grâce a été organisée ce matin. C'était en présence de l'archevêque de Niamey, des leaders coutumiers et religieux musulmans du quartier et du chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie au Niger, Gérard Blaziz et Philippe Tchao. « 1984-2024 cela fait 40 ans d'existence pour la paroisse Saint-Gabriel, archange de Garbadou, de l'archidiocèse de Niamey de l'Église catholique du Niger. Débutée depuis le 26 septembre dernier, la célébration de ce jubilé de Ruby a atteint son épilogue ce dimanche par l'organisation d'une messe d'action de grâce. C'est dans la communion des cœurs et des esprits que les membres de cette communauté chrétienne dirigée par le Père Ibrahim Sédou ont prié. L'événement a enregistré la participation de l'archevêque de Niamey, Monseigneur Jalwana Laurent Lampo, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie au Niger, Roberto Orlando, du chef du quartier Garbado, Ismaël Alidou, et du l'imam de la mosquée voisine, Abdelmoutalabou Alamine Abo, ce qui témoigne des liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent chrétiens et musulmans au Niger. Dans son intervention à cette occasion, L'archevêque de Niamey l'a d'ailleurs évoqué. Il a invité les fidèles chrétiens et musulmans à renforcer cette cohésion sociale. Monseigneur Jalouana Lampo a prié pour que la paix règne au Niger, dans les autres pays de l'AES et dans tous les pays à travers le monde. Parmi les activités commémoratives de cet anniversaire, on peut retenir la projection d'un film documentaire sur les 40 ans de vie de la paroisse Saint-Gabriel et le colloque relatif aux défis et perspectives pour les dix années à venir. Il faut retenir qu'une paroisse occupe un rôle essentiel dans la vie religieuse. Subdivision de base d'un diocèse ou d'un archidiocèse, comme le cas de Saint-Gabriel, elle est en effet le lieu de culte et de célébration pour les croyants. Une table ronde axée sur plusieurs préoccupations d'actualité a été organisée ce matin à Agadez à l'initiative du comité exécutif du mouvement M62. C'était sous la présidence du gouverneur et en présence de plusieurs invités, Al-Gabit Assadek et Mahamadou Dodo Soleil. Après les mots de bienvenue de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, c'est au tour du coordinateur national du mouvement M62 de s'étaler sur les centres d'intérêt de cette L'initiative actuelle est motivée par euh, l'engagement du M62 aux côtés du CNSP dans ses efforts de faire de notre pays un pays qui soit désormais dans tous ses aspects au service de ses filles et de ses fils. Mais de notre devoir de nous déployer sur le terrain, aller faire découvrir cette vision aux populations, en commençant par les chefs-lieux de région, pour que chaque citoyen nigérien puisse internaliser, s'approprier cette vision, voir quelle contribution il peut apporter. Occasion saisie par le premier responsable de la région d'Agadez pour apprécier l'initiative, tout en prenant soin de révéler la vision du président du Niger à l'assistance. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a décliné sa vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère selon quatre axes stratégiques que sont le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production pour la souveraineté économique, et l'accélération des réformes sociales. Autour de ces quatre axes stratégiques seront réalisées tout le long de la transition une série d'actions dans les domaines les plus importants de la vie socio-économique, politique et sécuritaire afin de bâtir un Niger nouveau où les Nigériennes et les Nigériens, unis et solidaires, décident souverainement la patrie et dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Le mouvement M62 demeure depuis sa création une organisation pionnière de la société civile qui affiche une détermination farouche en faveur d'un Niger indépendant et prospère qui ne saurait être possible que par une démarche patriotique inclusive et participative de vulgarisation des nobles ambitions de refondation et de souveraineté prônées par nos autorités actuelles. L'administratrice déléguée de la commune rurale de Liboré a présidé ce matin le lancement des activités entrant dans le cadre d'une journée de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion sociale, une initiative du mouvement nigérien pour la réconciliation et la paix. Amadou Toujani et Idrissa Oumarou. Vivre ensemble dans la réconciliation, la tolérance et la paix, c'est le thème qui a été développé au cours de cette journée de sensibilisation initiée par les mouvements nigériens pour la réconciliation et la paix, MNRP, dans la commune rurale de Liboré ce samedi 29 septembre 2024. Une rencontre qui a enregistré la participation massive de la population de la dite commune en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que des leaders religieux de Liboré. Le chef des cantons de Liboré et l'administratrice déléguée ont tour à tour pris la parole pour inviter les populations à prêter une oreille attentive au message de paix dont le MNRP est porteur. Nous avons, avec euh, les habitants de Liboré, parlé, discuté, débattu de comment vivre ensemble, de comment faire pour que tous les Nigériens soutiennent nos autorités, c'est-à-dire soutiennent le CNSP, pour que notre pays reste en paix, pour que tous les Nigériens bénéficient euh, du bien de ce pays-là. L'administratrice déléguée de la commune rurale de Libouré, Maria Saleh, a, après avoir salué cette initiative, invité d'autres structures des jeunes à emboîter les pas au mouvement nigérien pour la réconciliation et la paix afin de multiplier les initiatives en faveur de la paix et la cohésion sociale dans la solidarité partout au Niger. Le mouvement nigérien pour la réconciliation et la paix est la bienvenue, pas uniquement à Liboré. Nous sollicitons à ceux qui partent un peu partout dans le pays pour sensibiliser la population, surtout mettre l'accent sur la jeunesse, de faire très attention, d'être les, les yeux, les oreilles de nos FDS, de signaler quelque chose d'anormal. Vous n'êtes pas sans le savoir, la jeunesse est partout. Nous prions à ce qu'ils seront les yeux, les oreilles euh, de nos FDS. Cette journée de sensibilisation a été mise à profit par les initiateurs et les autorités locales pour lancer un appel à la jeunesse à délibérer en particulier et celle du Niger en général à redoubler de vigilance tout en collaborant avec les autorités afin de lutter efficacement contre l'insécurité au Niger. Enfin, le mouvement nigérien pour la réconciliation et la paix s'est dit engagé à accompagner les plus hautes autorités dans leur noble combat pour la reconquête de la souveraineté du Niger. L'administrateur délégué de la commune rurale de Fabidji a présidé la cérémonie de lancement de la caravane de sensibilisation sur le droit de l'enfant et les mécanismes de signalement de l'enfant en danger. C'est une initiative du comité de protection judiciaire juvénile du tribunal de grande intense de Dosso avec l'appui financier de l'ONG World Vision. Ali Hashimou et Harisugarba. Ils sont nombreux, hommes, femmes et jeunes, autour des chefs de quartier et leaders religieux de la commune rurale de Fabiji à répondre favorablement à cette invite du comité de protection judiciaire juvénile du tribunal de grande instance TGI de Dosso. Mobilisation bien appréciée par le premier responsable de la commune rurale de Fabiji, l'adjudant-chef Ibrahim Moussa, qui a au passage exhorté les populations de suivre attentivement les différents sujets qui seront abordés. Le choix de deux thèmes n'est pas fortuit, a indiqué le président du comité de protection judiciaire juvénile du tribunal de grande instance de Dosso. Le choix de ces deux thèmes et des cibles n'est pas fortuit, car il est la résultante d'un constat selon lequel les droits de l'enfant sont majoritairement ignorés et quelques peu connus ne sont pas malheureusement respectés. Sensibiliser la population sur les droits de l'enfant et les mécanismes de signalement de l'enfance en danger revient donc à amener la population d'une part à connaître les différents droits de l'enfant, à les respecter, mais également à signaler tout cas d'enfant en danger dont elle aura connaissance. Le président du comité de tribunal d'instance de Bobo Issaïd Bachir a également pris la parole pour expliquer davantage le droit de l'enfant tel que ratifié par les instruments juridiques internationaux et nationaux suivis des échanges fructueux avec les populations. Ces échanges de sensibilisation sur le droit de l'enfant et mécanismes de signalement de l'enfance en danger ont répondu aux attentes des organisateurs. Euh, à la sortie, on a constaté que vraiment, euh, ils ont compris et ils ont pris l'engagement d'informer la population. Au niveau de la population, nous leur disons de collaborer avec tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfant, à commencer par euh, le chef du village, le maire et tous les autres services étatiques et non étatiques qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfant. Espérons que les autres ONG et associations sœurs vont emboîter les pas à l'ONG World Vision pour soutenir financièrement ces nobles initiatives qui visent le bien-être de l'enfance. Le préfet du département d'Iferouane a présidé vendredi dernier la cérémonie d'élection du tout nouveau chef du village de Tekédé, c'est dans la commune rurale de Timia, département d'Iferouan. Bachir Harouna et Moussa Efale. Ces scrutins à un seul candidat s'est déroulé vendredi 27 septembre 2024 à Teguert, dans la commune rurale de Timia, département d'Iferouane. Nombre de candidats, nous avons enregistré un seul candidat. Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, 72. Nombre d'électeurs ayant voté, 72. Nombre d'électeurs absents, 0. Bulletin trouvé dans l'urne, 72. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé valable, 72. Euh, sur le suffrage exprimé valable, le candidat Ici Fagoumar a obtenu 70, par conséquent est élu chef du village de Tegar, le tout nouveau chef du village de Tegar. Issouf un homme de dialogue et de paix, a bénéficié du conseil des préfets du département one Monsieur le chef élu, vous êtes présenté comme un homme à l'écoute des préoccupations des populations et le développement des collectivités de votre terroir. Votre générosité à l'égard des populations illustre à plus d'un titre votre engagement à œuvrer pour l'intérêt général, population de Téguer. Votre accompagnement et votre collaboration demeurent essentielles pour une meilleure administration de votre collectivité. Aussi, votre implication dans la promotion des valeurs de paix et de cohésion constitue le pilier central de la fondation des actions de développement de Teger. a été intronisé à par le occasion saisie par le sultan de l'Aïr, Omar Ibrahim Oumarou, le chef des groupements Imikitan et l'administrateur délégué des communes d'Ifrouan et de Tchemia, Gagara Mohamed, ont tous prodigué des conseils au tout nouveau chef des villages de Tegert dans le même ordre d'idée. Dans l'après-midi du 25 septembre 2024, l'honorable sultan de l'Aïr Omar Ibrahim Oumarou a intronisé à Ifrouan au cours des meetings populaires organisés à cette occasion à l'âge Amrar Amon en qualité de Sarkim Makera et Zabeirou Samela, les représentants du sultan de la à Ifrouane, occasion mise à profit par les de du sultanat de la pour expliquer aux populations les attributions et les rôles dévolus à ces deux personnalités. Agadez, toujours cérémonie de réception d'un véhicule au profit du Conseil régional de la jeunesse. Ce geste de solidarité émane du groupe Sahara, le compte rendu avec Algabit Assadek et Ibrahim Amadou. Plusieurs interventions ont été tenues en cette circonstance, notamment le représentant de la direction régionale de la jeunesse, suivi par le représentant du groupe Sahara et évidemment le président du conseil régional de la jeunesse d'Agadez pour cette œuvre de solidarité agissante en faveur de la promotion des jeunes émanant des efforts personnels du PDG du groupe Sahara ayant mis à leur disposition ce véhicule. Le présent don du véhicule offert par le groupe Sahara vient à point nommé au moment où le Conseil régional de la jeunesse d'Agadez s'apprête à entamer une tournée régionale à la rencontre de ces jeunes dans tous les départements pour dialoguer avec eux, recueillir leurs avis et les sensibiliser par rapport au rôle qui est le leur dans la nouvelle marche de notre pays. Notre secrétaire général du gouvernorat d'Agadez n'a pas en effet caché sa satisfaction au nom des plus hautes autorités de notre pays. Je voudrais exprimer notre reconnaissance au groupe Sahara et spécialement à son PDG, M. Khalil Mbarik, pour cet appui combien important qui vient redynamiser les capacités organisationnelles du Conseil régional de la jeunesse d'Agadez dans sa mission régalienne en le rendant plus apte à servir ses pairs et au-delà la communauté tout entière. À ce présent geste, le représentant du groupe Sahara a laissé entendre qu'il s'agissait pour son PDG, Khalil Mbarik, d'insuffler une nouvelle dynamique au Conseil régional de la jeunesse d'Agadez à travers cet accompagnement en moyen roulant. Le représentant de l'entreprise Igado Télécom Service a appuyé la semaine dernière la commune de Wallam, région de Tilaberi, en vivre, une façon pour Ibrahim Gado de répondre à l'appel des autorités du CNSP pour un élan de solidarité. C'est l'administrateur délégué de la commune de Wallam qui a réceptionné l'appui. Lawali Moutari Réconforter les populations de la commune de Wallam après les inondations de cette saison pluvieuse, Tel est le but de cet appui de l'entreprise IGADO Telecom Service dirigée par El Haj Ibrahim Gado. Un appui composé de vivres et de moustiquaires imprégnés au profit des ménages sinistrés. Nous avons ici deux tonnes et demi de mille, accompagnées d'une paire de moustiquaires. Ça, c'est la volonté d'un citoyen par cette marque de solidarité à l'endroit de ses concitoyens, le président directeur général de la société Igado Telecom Service montre le bon exemple aux autres sociétés et citoyens qui tardent encore à réagir à l'appel des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, celui de faire preuve d'une solidarité nationale agissante à l'endroit de nos concitoyens. Clôture à Niamey de la formation de 35 femmes formatrices en produits d'entretien et de transformation agroalimentaire initiée par le Comité national des femmes travailleuses de l'USTN. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'USTN, Passiratou Ayouba et Philippe Chao. Cette formation sur les produits d'entretien et sur la transformation des produits agroalimentaires qui a duré deux jours a permis aux participantes de maîtriser la fabrication des produits d'hygiène et d'assainissement. Un savoir-faire que ces 35 femmes formées vont transmettre à leur tour aux autres femmes qui n'ont pas bénéficié de la formation. Pour rappel, nous avons eu à fabriquer du savon dur que nous avons pu rendre en morceaux à travers des moules. Nous avons également produit des gels de douche très moussants et très lisses, très utiles pour l'entretien de la peau. Nous avons produit de gommage. Qui dit gommage dit entretien également de la peau. Nous avons produit du détergent en poudre communément appelé homo. Pour couronner le tout, nous avons produit des petits sacs avec le pain qui comporte des motifs terra-terra qui va vendre l'image du Niger partout où nous irons avec les écritures Comité national des femmes travailleuses de l'USTN. Ce sac que nous avons produit est un cri de cœur, un appel pour réduire l'utilisation des sachets noirs, des sachets en plastique qui détruisent notre environnement. Ces petits sacs sont lavables, réutilisables, très utiles pour des petites courses. Le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs du Niger s'est réjoui de la tenue de cette formation, une formation qui va certainement contribuer à l'autonomisation des femmes et au développement du pays. Nous sommes aujourd'hui sur un marché des produits cosmétiques et des produits de tout humides dont on ne sait le contenu, les excipients qui ont, qui ont contribué à la fabrication de ces produits, qu'aujourd'hui que nous sommes en train de rejeter pour notre santé, que ce soit la santé la peau, pour, la, pour même la santé, les produits détergents qu'on utilise pour euh, les ménages, les vaisselles et autres. On essaie, ça ne vient d'où Parce que euh, notre marché national ne les produit pas. Alors c'est une initiative pour, vous-même parce que vous savez ce que vous avez eu à faire. Le Comité national des femmes travailleuses de l'USTN appelle les autres structures féminines à leur emboîter les pas dans le cadre de la fabrication et de la consommation des produits locaux. Le chef d'état-major des armées accompagné du gouverneur de la région d'Ottawa a présidé hier le lancement de la première édition du championnat Challenge Tir dénommé Coupe du chef d'état-major des armées qui a regroupé l'ensemble des forces de défense et de sécurité venues des huit régions du pays. Le compte rendu avec James Didier. Voilà, l'élément n'est pas prêt. Les ressources mobilisées par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, au 27 septembre 2024 sont constituées de contributions volontaires en numéraire et en nature et des prélèvements. Le montant des ressources mobilisées par le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie s'élève à plus de 16 milliards de francs CFA. Le récapitulatif avec Moussa Hamani récapitulatif du reporting des contributions au 27 septembre 2024. Les ressources mobilisées par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie au 27 septembre 2024 sont constituées de contributions volontaires en numéraire et en nature et des prélèvements. Les contributions volontaires en numéraire s'élèvent à un montant global de 4 milliards 610 millions 67 francs CFA et se répartissent comme suit. espèce 2 milliards 90 millions 768 710 francs CFA. Chèque 1 milliard 23 millions 94 405 francs CFA. Virement 1 milliard 78 millions 858 800 francs CFA. Amana 444 049 francs CFA. Alisa

carte Visa et Mastercard. 2 620 francs CFA. Les contributions volontaires en nature s'évaluent à un montant de 3 256 943 993 francs CFA. Les contributions volontaires émanant des citoyens de bonne volonté, des opérateurs économiques, des entreprises citoyennes, de la diaspora et des amis du Niger s'élève à un montant de 7 milliards 867 millions francs CFA à la date du 27 septembre 2024. Au titre des prélèvements, le montant total collecté à la date du 27 septembre 2024 s'élève à un montant de 8 milliards 578 millions francs CFA et se détaille comme suit. Prélèvement sur appel et souscription Internet RTL. 1 415 629 248 francs CFA. Prélèvement sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet Zamani 450 millions 818 040 francs CFA. Prélèvement sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet Move 356 499 392 francs CFA. Prélèvement sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet Niger Télécom, 143 214 070 francs CFA. Prélèvement de 10 francs CFA sur les tickets de transport terrestre, 30 83 800 francs CFA. Prélèvement de 10 francs CFA sur les péages routiers, 19 711 750 francs CFA. Prélèvement de 1000 francs CFA sur les tickets de transport aérien. 18 568 000 francs CFA. Prélèvement de 10% sur les taxes sur les unités d'hôtel. 3 606 158 francs CFA. Prélèvement de 10% des redevances versées à l'ARCEP. 916 373 200 francs CFA prélèvement de 10% des redevances annuelles pour l'exploitation des services de radiodiffusion et télévision nationale et internationale, 19 657 700 francs CFA. Contribution de 10% sur le montant de toute exonération d'impôts, de droits de douane, de taxes et de redevances accordées par l'État aux bénéficiaires de régime dérogatoire 598 627 000 3 francs CFA. Prélèvement de 100 francs par contrat d'assurance. 20 965 800 francs CFA. Prélèvement de 10 francs CFA par abonné d'une formule au bouquet télé. 10 94 860 francs CFA. Prélèvement de 10% sur les redevances de régulation versées à l'ARCOP. 165 520 611 francs CFA Prélèvement de 30% sur la rubrique Appui à l'énergie. 1 milliard millions francs CFA. Prélèvement de 50% sur la rubrique marquage des produits pétroliers. 2 milliards 569 millions 617 francs CFA. Prélèvement de 25% sur la rubrique Pétrolab. 135 millions 663 francs CFA prélèvement de 25% sur la rubrique RC, 135 663 400 francs CFA. Le montant total des ressources mobilisées par le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à la date du 27 septembre 2024 s'élève à 16 445 924 237 francs CFA. Voilà, à l'instar des autres régions du Niger, la région de Zender a bénéficié d'abondantes pluies cette année. Au stade actuel de la campagne hivernale, la situation agricole connaît une nette amélioration. Des récoltes ont été effectuées dans la majeure partie des villages agricoles. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Ousmane El Ibrahim, Mohamed Adomou et Nasser Hima, suivi du journal de l'AES, en partie magazine de cette édition. Bonne réception et bonne soirée. La campagne agricole 2024 est certainement porteuse d'espoir à Zender, un espoir pour une souveraineté alimentaire retrouvée. Presque tous les semis effectués n'ont pas manqué d'eau pour leur évolution. Nous sommes le 27 septembre 2024. Au stade actuel de la campagne, les paysans, après avoir suivi de très près leurs semis, ont pu voir enfin la fin normale du cycle de leur culture, ce qui n'était pas évident au regard des aléas des saisons auxquelles ils sont habituellement confrontés auparavant. Dans ce hameau du département de Magaria, situé à 91 km au sud de Zender, l'heure est au stockage des récoltes dans les greniers qui arrivent à peine à contenir les bottes récoltées kamar wannan rumbu iya ina shi ka dame talatin da biyar kuma yanzu ina fama in samu wani Allah in dan kara Un aspect important et inédit à souligner ici, en plus de ses charges de gestion de la région, le gouverneur de Zinder a pu aménager son temps pour s'adonner aussi à l'agriculture. Dans son champ d'une superficie de 20 hectares situé à quelques kilomètres à l'ouest de Zender, dans la commune rurale de Trimini, le colonel Issoufou Labou affiche fièrement son statut de producteur agricole, une culture mixte dans laquelle on y trouve plusieurs spéculations, dont le mille déjà récolté, le sorgho, le riz, le gombo à sa troisième récolte. En notre qualité de gouverneur, nous avions le devoir de donner l'exemple. L'exemple euh, euh, en tenant compte des aspirations des plus hautes autorités de notre pays avec euh, le développement des cultures pour pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire. Et puisque nous savons que si nous cultivons, en tout cas avec les pluies que nous avons rester, nous sommes sûrs que nous pouvons éloigner euh, les aspects d'insuffisance alimentaire dans notre pays. Et c'est dans ce cadre que nous sommes lancés nous-mêmes pour euh, cette production, mais nous avions aussi euh, sensibilisé beaucoup de producteurs, beaucoup d'opérateurs économiques pour qu'ils se lancent avec les moyens dont Dieu leur a offert pour pouvoir assurer une très bonne production pouvant supporter les besoins de la région des Zender. Tout un symbole qui, en plus de servir d'exemple, a le mérite d'imprimer une nouvelle dynamique dans le changement de mentalité qui sied à la marche du Niger qu'il faut désormais adopter. Les cultures pluviales tirent donc à leur fin un peu partout dans la région des Anders. Le bilan est plus que satisfaisant. On doit dire que les principales spéculations ont connu un développement normal de, donc de, leur cycle. Donc ceci dit, il y a eu quand même des, des infestations. Des infestations notamment de quelques ennemis des cultures, Je veux parler de la cicadelle, je veux parler des insectes foloricoles, mais aussi et surtout de la mineuse de, de l'épi. Et l'État a mis à notre disposition, n'est-ce pas, du bracon par rapport à la mineuse là, où on a procédé à, à des lâchers. Ceci a permis quand même de contenir euh, les conséquences de ces investissements. Nous menons euh, le suivi de la campagne des cadres et il y a aussi les réunions qu'on tient, les réunions d'évaluation à mi-parcours au 31 juillet, une première réunion. Et... sont tournés vers les cultures irriguées. Dans le village de Kassama, commune rurale de Al-Barkaram, à 45 km à l'est de Zander, nous avons trouvé la grande mare permanente qui a atteint pour la première fois un niveau exceptionnel de remplissage. Les travaux de drainage des eaux vers les périmètres aménagés sont terminés et les parcelles régulièrement irriguées. Le directeur régional de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, était sur le terrain. Pour rappel, il a été réalisé depuis 2013 avec une superficie initiale de 69 hectares. Et dans le cadre euh, du programme de la grande irrigation, des travaux sont engagés sur le périmètre. Et présentement, la superficie exploitable est de 100 hectares. Les populations des 10 villages environnants exploitent euh, le périmètre de Kassama. Nous avons 245 exploitants, dont 85 femmes, qui exploitent le périmètre. Donc c'est un périmètre qui a deux composantes. Nous avons le barrage et le périmètre. Donc, nous produisons à partir de l'eau de la retenue du barrage. Et comme euh, les ouvrages, nous avons le réseau d'irrigation, le réseau de protection, les réseaux de drainage donc, qui ont été rénovés dans le cadre du programme. Maintenant, pour la mise en valeur, je dirais que c'est une première. Le périmètre a atteint le maxi de sa mise en valeur. Les cultures sont également mixtes sur ce périmètre et les producteurs plus motivés à l'exploiter à cause de sa réhabilitation. Euh, cet aménagement, c'est vraiment un ouf de soulagement pour les populations environnantes donc, euh, euh, qui trouvent à, ce niveau un moyen d'améliorer leurs conditions de vie. D'abord, en ce qui concerne la mise en valeur, il y a beaucoup d'activités qui, qui est effectuée par la jeunesse que ce soit déjà féminin ou masculin. ce qui concerne les travaux de répiquage du riz, les travaux de labour, préparation des terrains, toutes ces activités sont des activités qui procurent des, revenus à cette jeunesse. En plus de cela, c'est une activité qui fixe la population. Dans le cadre des, travaux de réhabilitation et d'extension, il y a eu beaucoup, plus de, 100 paires de, de ménages qui ont été pris comme manœuvre sur, les chantiers. Et durant les cinq mois de travaux, ces, chefs de ménage-là sont procurés de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. L'abondance des récoltes, en plus de son caractère bénéfique pour la population, suscite aussi une préoccupation relative à une gestion rationnelle des excédents. Sur cet aspect, le gouvernement a anticipé. Nous sommes en train d'échanger avec euh, les différentes structures, les différents acteurs de la production les différentes euh, structures coopératives euh, pour pouvoir, euh, en tout cas, mieux sensibiliser les gens à ce que les gens non seulement sécurisent ce qu'ils ont produit, mais l'excédent qu'ils veulent vendre, qu'ils le vendent à l'État. Parce que c'est comme un dépôt, l'État va payer, mais au moment important, l'État va donner, va, va, restituer ça à un montant peut-être même moins cher. Donc il faudrait que nous regardons tous de la même direction. Nous avions déjà reçu les instructions de procéder aux sensibilisations des producteurs, tout confondu, les producteurs agricoles, les producteurs pastoraux, pour que nous puissions économiser au maximum possible ce que nous avions en excédent chez nous au Niger. La région des Enders a reçu cette année d'énormes quantités de pluie, 1074,7 mm, presque le double de l'année 2023 qui n'a reçu que 674 mm pour toute la saison. les plus hautes autorités à la suite des différentes crises multidimensionnelles qui ont secoué le pays, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale est certes un département relativement jeune, mais hautement stratégique dans l'attelage gouvernemental en vue de réussir ses missions, à savoir recoudre le tissu social pour une paix durable, la structure s'appuie ainsi sur plusieurs instruments et stratégies. À savoir la stratégie nationale de réconciliation, euh, le schéma directeur de la réconciliation, la loi nationale sur l'entente et puis la loi sur euh, les réparations en faveur des victimes. Et aussi, il y a d'autres stratégies pour le retour des populations dans les régions de, de Kidal. Au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, l'on est conscient que le processus de paix n'est pas un long fleuve tranquille. La réconciliation, c'est un tout. Donc, à la fois, nous sommes dans la gestion et la prévention des conflits, mais aussi nous apportons de l'appui aux communautés, aux populations pour leur développement. Autre initiative du département pour espérer au vivre ensemble et à la cohésion sociale, c'est bien la Semaine nationale de la réconciliation. L'édition de cette année 2024, dont le lancement a eu lieu à Gao, est marquée par une situation particulière avec des inondations ayant causé d'importants dégâts, d'où la nécessité d'agir pour atténuer les souffrances des victimes au sein de l'espace AIS. E la semaine nationale de réconciliation vise à renforcer la réconciliation euh, et, la cohésion sociale au Mali. La pluviométrie cette année, a été abondante. il y a eu des catastrophes à travers tous les pays. Et du coup, le département a initié euh, ce qu'on appelle euh, cette semaine pour apporter un soutien à ces sinistrés. C'est ce qui justifie justement le thème de la Sénat 2024 de cette année, c'est-à-dire la solidarité de l'unité nationale autour des victimes des générations dans l'espace AIS. Et pour réussir sa mission, la direction des finances et du matériel constitue une épine dorsale. Les missions du département, c'est essentiellement l'élaboration des politiques nationales euh, de gestion des ressources financières et matérielles euh, du département, ainsi que l'approvisionnement du service à travers les textes et règlements en vigueur pour la euh, passation des services. Dans notre travail, on parle de la chaîne de dépenses. Les dirigeants collaborent étroitement ensemble. Euh, les dossiers de dépenses sont, dans un premier temps, ça commence par euh, les, structures de l'approvisionnement. Ensuite, il y a la, division finance qui, suit. Ensuite, euh, il y a la division matérielle qui est également impliquée dans les processus de, de dépenses. Pour cette troisième édition de la Sénara, trois activités majeures ont été initiées par la commission d'organisation pour renforcer l'entraide et la solidarité en faveur des victimes. L'objectif visé par le département euh, tourne essentiellement autour d'un soutien moral et psychologique à apporter aux victimes des inondations. par ailleurs, la population a été sensibilisée à l'importance de la solidarité nationale en période de crise. Et les valeurs de fraternité et d'entraide ont été promues au sein des populations de l'AIS. Également, la capacité des forces de protection civile a été renforcée pour mieux répondre aux catastrophes naturelles. Et enfin, les missions et activités du département en charge de la réconciliation et de l'assistance aux victimes ont été mises en lumière. Résolument engagé à atteindre ses objectifs, le ministère en charge de la réconciliation prône la conjugaison des efforts. C'est un défi pour lesquels chacun doit jouer en tout cas sa, partition. Le deuxième défi aujourd'hui auquel nous nous confrontons, c'est que euh, nous voulons faire de la mission d'appui à la réconciliation une structure qui soit représentative sur l'ensemble du territoire. En termes de perspective, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que euh, nous sommes déjà à la révision de la stratégie nationale de réconciliation, qui est un document important pour le processus de réconciliation dans notre pays. Avec les différentes actions entreprises, le département de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale demeure convaincu que la réconciliation et la cohésion sociale tant recherchées depuis quelques années seront un acquis dans les mois ou années à venir pour le bonheur du peuple malien. Ils sont nombreux ces Maliens installés dans la région du nord du Burkina Faso qui vivent en parfaite harmonie avec les populations hautes. Si certains sont dans le commerce, d'autres sont dans l'agriculture ou encore dans la pêche. Nous sommes nés ici et notre activité principale, c'est la pêche. Nous avions bénéficié d'une formation en pisciculture. Depuis lors, nous y avons associé l'élevage des carpes. Moi, je suis né ici. Mon père est venu ici, il n'avait pas 5 ans. Ils ont suivi la grande sœur qui était mariée au premier imam de Waïguya. Ma famille est au Burkina depuis 1890. La Haute-Volta n'était même pas créée. Parce que la Haute-Volta est créée en 1919. Moi, ma famille est venue 29 ans avant. Et mon père fut le premier inspecteur de l'enseignement de premier degré de ce pays. Déjà bien intégré à Waïguya, ils tiennent des rencontres régulièrement pour échanger sur les nouvelles du pays et aussi pour maintenir les liens culturels et familiaux. Parce que nous, par exemple, nos, rencontres là, mensuelles, on essaie d'associer à chaque fin du mois une autre communauté étrangère. Ce n'est pas la seule, seulement, que ce soit ivoirienne, que ce soit nigérienne, sénégalaise, ghanéenne, togolaise ou béninoise. C'est pour qu'ensemble qu'on sache que bon, la communauté malienne qui est ici, parce que nous sommes la communauté la plus nombreuse. Ah Ces Maliens du Burkina saluent la création de l'Alliance des États du Sahel et invite les autorités à travailler davantage pour unir les deux peuples. Eh, dans la mesure où, avant même l'arrivée des colons là, il y avait le brassage entre les différentes communautés, que ce soit étrangère, parce que en son temps, comme le Mali n'existait pas, la Haute-Volta n'existait pas. Mais bien avant ça, le brassage existait entre les différents peuples L'insécurité a ralenti le flux commercial entre Wayuga et Mopti, mais ces commerçants tiennent à maintenir ce lien historique. Avant, nous passions par, à Koro pour aller à Mali. Mais maintenant, sur la, route de Koro, ça ne passe pas. Nous passons jusqu'à à, jusqu'à pour aller à Mali. Ces Maliens de Wayuga souhaitent vivement que la paix revienne dans l'espace AES afin qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. cette élévation naturelle, ces personnes de ressources enclenchent une marche à la découverte du plus grand refuge du canton, le Fieca. La montée est quelque peu épuisante, mais le délégué du chef de terre de Safané qui conduit l'ascension pédestre en est un habitué. Après une dizaine de minutes d'efforts physiques, voici la grotte qui servirait de cachette à toute la population de Safané en cas de danger. Et le danger, c'est un gros boa à l'intérieur qui a pour mission de le dissiper. Un boa que vous ne verrez pas pour des raisons de secret défense. Le reptile fait office de chef d'état-major des armées du canton. Il est investi de la toute-puissante autorité pour sauver sa fanée en cas d'attaque extérieure. Au-delà d'être un refuge pour tout fanée, Fiekan est aujourd'hui un lieu sacrificiel pour les personnes en quête de santé, de fertilité ou d'ascension sociale. Hein? Bon, en engagé, une grotte qui peut contenir toute la population de safanés. Ça ne va même pas rempli. Ceux qui, eh, qui sont atteints de stérilité, ils peuvent venir ici demander et la grotte peut exaucer leurs vœux. Quand vous venez, donc il y avait des traces de voitures, ce sont des gens qui viennent consulter eh, au niveau de la grotte et leurs vœux sont exaucés. Ici, il est formellement interdit de tirer un coup de feu, Fiekan étant le refuge et le symbole de la tranquillité. Fiekan n'est pas le seul site qui héberge l'originalité de Safané. Là, nous sommes au cimetière de la famille royale, situé à Massabé, ou le quartier royal. Quand nous regardons, la première tombe, c'est la tombe de Massa Suleiman. C'est le premier chef du canton. La tombe qui est là, c'est la tombe de sa maman, c'est Séré Bailly. Ensuite, cet homme, c'est un de ses enfants. À côté de ce monde des ancêtres qui côtoie le monde des vivants, un vestibule chargé de symboles. C'est le boro ou le trône du chef. Sur le mur, de petites élévations qui s'apparentent à de la décoration. Il ne s'agit pas non plus d'une peinture murale. Chaque point représente les tout premiers cheveux et nombrils d'un fils de la localité. Une pratique pour amener toujours les descendants de Massa Suleiman au recours à la source. Chaque fils euh, du quartier, chaque série, quand il naît, son premier cheveu, on enlève et en plus euh, le nombril, on les mélange ensemble mélangé à la terre et on vient coller ici. Même si la personne se trouve à l'extérieur, des milliers de cheveux qui sont là actuellement. Puis il y a certains qui sont tombés et on a ajouté, voilà, ainsi de suite. Autre symbole de la royauté dans le canton de Safané, cette gigantesque place, elle aurait servi de siège au tout premier chef de canton. C'est le Massako un siège de repos et de distraction pour l'autorité royale. Et voici le tout premier puits de Safane, une source d'eau intalissable, au dit de ses anciens. Comme quoi, Safané est un entre des sites touristiques et culturels de la région de la boucle de Mohon.